Salam bonjour à tous. Là, nous sommes dans le deuxième village. Nous sommes euh, à Thiès. Nous sommes partis dans le deuxième puits qui s'appelle Fatoumata Sajida. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Fatoumata Sajida, parce qu'il y en a, ils ne sont pas au courant. Alors, Fatoumata et Sajida sont deux personnes de l'association. Grâce à Allah, bah, elles sont en tombées enceintes. Ça veut dire les deux sont tombées enceintes au même moment. Et euh, c'est pour ça on a fait honneur euh, à ces deux personnes-là pour que le puits s'appelle au niveau de ces deux prénoms-là. Nous remercions encore une fois de plus euh, les donateurs, euh, bah, voilà, ou par votre argent. Là, le puits n'est pas encore fini. Pourquoi Parce que euh, ça fait des mois qu'il creuse et le sol, malheureusement, c'est de la pierre. Et c'est très très dur. Juste pour retirer 1,50 m à peu près, il faut entre 3 et 4 jours. Ça veut dire que là, là ils sont à peu près arrivés, je pense, à 13 mètres et ils n'ont pas encore trouvé l'eau et euh, il faut encore un peu plus euh, pour qu'on euh, puisse trouver l'eau. Mais avec le temps, j'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup d'eau comme par rapport aux autres puits qu'on a financés déjà. Je remercie en tout cas tous les villageois bah, de nous accueillir parce qu'ils sont nombreux et nombreuses. Il y a les enfants qui sont même ici et il fait chaud. Je pense qu'en France, il doit faire froid. Nous, ici, il fait très très bon. Il doit faire au moins 28 ou 30 degrés. Franchement, c'est agréable. On nous accueille bien comme d'habitude. Euh, on est, on est content. On espère que l'année prochaine, bah, il y a d'autres donateurs euh, qui vont venir. Là, cette année, on va dire c'est une année spéciale parce qu'il y a, ma petite sœur, il y a mon grand frère qui est venu et ma mère qui est venue euh, l'année dernière. Et il y a Faiza qui est là, qui est encore présent. On remercie aussi l'association Saku Action pour l'Espoir, parce qu'ils nous suivent depuis toutes ces années-là. Et franchement, on est, on est content, on est ravis. On a aussi amené, bah, comme d'habitude, des kits d'hygiène. On a amené aussi un ballon de foot. Dès que j'ai présenté le ballon de foot, les yeux des enfants, euh, leurs yeux, euh, ils, sont ouverts. Ils ne savent pas encore qu'on a encore euh, une valise là où il y a des bonbons. Ils ne sont pas au courant encore par rapport à ça. Comme d'habitude, on a amené aussi des sacs de riz de 50 kg et des bidons d'huile aussi pour qu'ils puissent cuisiner avec. En tout cas, remercie tout le monde par rapport de nous avoir reçus, de nous avoir attendus par rapport au chef du village. Euh, franchement, on est très content euh, de venir vous rendre visite. Euh, on est même beaucoup plus content que vous. pourquoi Parce que nous, on vient quand même de loin. Et même si on ne passe pas des vacances comme tout le monde voilà, à la mer ou à la montagne, moi, passer des vacances avec vous, c'est largement suffisant. Et pour moi, c'est le, plus beau, le plus beau des cadeaux. En tout cas, moi, c'est un rêve d'enfant depuis très longtemps de venir en Afrique et de construire des puits. Et euh, bah, ça s'est fait, je suis content et j'espère avoir une longue vie pour continuer en tout cas euh, dans, cette optique-là. Et on espère que les donateurs bah, donneront plus l'année prochaine pour qu'on puisse faire plus de puits dans d'autres régions et dans d'autres villages. En tout cas, je vous remercie et merci pour votre patience. Et euh, on espère, inshallah que le puits bah, il sera bientôt fini, que l'eau va jaillir et que vous aurez beaucoup d'eau.

fu mu toll waaye tamit ñëw àndaa leen ay sëriñ loolu moo waral tey suñu jotaay bi nii tey. ndax yéen ñii de yéen a fi ñëwoon waxtaan ak ñun ñu waxtaan ak yéen ngeen delluwaat ci jàmm ngeen waxe woon ko noonu yàlla defaat na tey ngeen ànd ak ñi nga xam ne moom ngeen ko siqal te lii ñu indi lu mag la ci ñun ndax dañu ko soxla ni ñu soxlaa ndox mi bu forage bi coupé rek ñun ñu ngi dem ca xur wa ca projet ba. ñun foofu lañuy ñuy roote ñëw jox njaboot ji ñun nag amuñu mukk luñ leen delloo lu dul sante leen te denk leen yàlla sunu borom te xam ne yàlla moo mën a fay yàlla defal leen mucc. maa ngi leen di gërëm pour nii ngeen xam ne da ngeen a jóge dëkk boo xam ne daanaka de dem na ci eh, fukki junniy kilomètre ngeen ñëw si fii boobu fan it gërëm naa leen kon jógee. waaw li ngeen wax ci ndox moom moo am. ndox yoro bi na doyul ndoxu teen bii daal moom na ñu gën a miin te du leen xamal ne amoon na fi jafe-jafe ndox ndax dem na ñu fee ci téye ca ca ca ca déeg bale di wëleeg nii di tib ndox di kër gi teen bii yal na yéeg ak jàmm ndax amoon nañu jafe-jafe bu baax amoon bu jafe-jafe bu tar ndax moom robinet du dara day xëy tey suba du am dara léeg am fi ñetti fan yoo xam ne duñu am ndox ñu tax say dem fële ca root kon lii moom soxla ñu ko lool bu ñu sañoon tey mu mu fi ñett kon lii xewal la ci nun ñu leen di di leen sant. maasawu leen coono bi tam ndax fi ngeen jóge ba fii sori na te du dara ndax yàlla ak suñu sago moo tax ngeen def ko li ngeen ñu defal mënuñu leen a fay xanaa ñu bay leen ak yàlla. jafe-jafe ndox bi ñu fi nekkee woon. liñ la waxoon boobu ba léegi bu njëkk ba ba léegi moo fi ne boo sangoo ndox la soo naanee ndox la soo toggee lii ngeen indi su ndox amul luñ koy def hmm? même su ngeen ñu indiwul woon ceeb bi sax teen bi rek li ngeen ñu def kiiwal ci teen bi rek doy nañu sëkk ak barke waaw ndax fi mu ne nii bu ñu amul woon ndox gis nga nii ngay gis fan yii yëpp fee lañ doon roote ci xur ba boo amul sareet nga jël bi sa comme dogal na ñun ba ngeen indi no dañ leen di euh, bah déjà je tiens à remercier tout le monde pour euh, tous les villageois pour leur accueil. Euh, c'est la deuxième année que je viens au Sénégal et c'est toujours un plaisir de rendre visite aux villageois parce que bah, on a toujours un très bon accueil et, et c'est toujours agréable de voir de vous voir en fait. Je tiens à remercier aussi les donateurs sans qui on ne pourrait pas être là aussi parce que du coup euh, bah, on vous le montre, on vous montre les vidéos, les photos, mais de le vivre en fait c'est réellement, c'est énorme en fait euh, parce que euh, bah, tout simplement on ne vit pas ça tous les jours et on, on est confronté à la réalité de la vie ici. Et par rapport à nous en France, il y a une grosse, grosse différence. Et ça nous permet aussi de, bah, de remettre les pieds sur terre en fait. Donc euh, bah, merci encore et aux donateurs et aux villageois euh, bah, pour tout. Salam, au nom de Andy Veil et de ses adhérents, donc on vous offre euh, ces quelques vivres. pour nous, ça paraît beaucoup, mais je sais que pour vous, c'est beaucoup. Donc, veuillez accepter ça de notre part et on espère que vous en ferez bonne utilité, mais j'en suis sûr. Bismillah. Merci. Bon. Yalla ndax seen benn njaboot nekku fi te ñu nit ay famille lañu kon boo ngeen indi lii yàlla kese la yàlla na leen yàlla fay ba ca kanamam kontaan nañu bégg nañu te am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem pour ñu xamee ko noonu muy li nga xam ne mooy li mbooloo mi wax te lii ku ci teg bët rek xam nga li nga xam ne xol sedd na tey waxuma la ndox mi waaye lii rek sedd na xol. kon alhamdullilah rabbil alamin sante nañ yàlla sante len bu baakha ba su su merci merci